vous vous rappelez certainement de l'artiste Liman Dja. Il répond au nom de Abdel Nasser. Il est né, comme il a mentionné, dans les années 80. Il a commencé la musique en 2001. Sa toute première apparition, c'était à Zender en 2003. Hier, nous avions parlé du parcours en question du combattant sur cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler du contenu de l'artiste limanja sur cette émission. Tout sur les albums de l'artiste, tout sur les vidéos de l'artiste, tout sur les chansons de l'artiste Limanja. C'est de cela qu'il s'agit. Limanja, dit la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur l'artiste s'exprime big up, big up, yes, ça, big Il comment tu vas tout se passe bien Ouais, super, super. Hier, on était sur l'émission Franco Aoussa, on a parlé en question du parcours du Kabata. On sait qu'aujourd'hui, euh, tu as permis un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, sur cette émission, nous allons réunir les conditions pour parler un peu de tout ce que tu as comme produit musical parlant. Nimanja, parlons un tout petit peu de ton contenu. La musique en 2003, c'était déjà quoi tu te rappelles euh, Oui, oui, c'était en 2003. Gonga de Gonga ou Oui, Gonga de Gonga. Oui. Gonga de c'était ta première apparition ah, ouais, Tu as reçu le son Oui, C'était chez Jean-Louis. Hein, Jean-Louis À Zender, oui. C'était un refrain nigérien qu'on a modifié. Ok. Yohana Gonga de Gonga, Kauche Kagaya. Ah. Gonga de Karanda Dende. Ah. Attends, tu vois ça. Hey ça. Mais tu m'as donné la chaîne d'écoute. C'est vrai, c'est authentique, c'est original de ça. On sait aussi, euh, bien évidemment, que ça vient du Niger. En dehors de ça, qu'est-ce que tu as reçu Qu'est-ce que tu as comme ça Comme ça Oui, sont les vidéos, parce que c'est de cela euh, qu'il s'agit aujourd'hui de cette émission. Ouais, c'est vrai, hein. en, 2009, on a fait un hip hip-hop. Avec ton groupe hein? oh, Non, c'était moi. Ok. C'était euh, infiltré avec NBM. Ok. Super. Ok. Et en dehors de ça, est-ce qu'on peut déjà avoir aussi quelques tubes d'artistes qui ont marché, qui ont cartonné comme pas possible, nous, du public Oui, oui, il y en a Tali aussi. Tali, là, c'est un son que j'aime bien. Ouais, Tali, ouais, bien sûr. Et tu as fait quoi euh, Pour la maman ou pour qui euh, oui, ça concerne la maman et toutes les mamans. Aussi. Du même, bien sûr, c'est que je dis, ça concerne maman. Non, mais en fait, euh, j'ai juste la ensemble pour la maman. Quand j'aurais fait ensemble pour la maman, ça serait pas comme ça, ça serait plus spécial. Du spécial. Alors, Limandia, on va bien évidemment euh, parler, n'est-ce pas, de, ce featuring qu'on a connu avec MDM à un moment donné de l'histoire. Oui, oui, qui a aussi cartonné comme pas possible uh-huh. avant, d'être primé. tu te rappelles de, de, de la chanson euh, oui, il y, en a beaucoup. Ah, ok, ok. Est-ce que je peux avoir la partie de l'immédiat Je sais qu'on finira par être de l'immédiat pour autant ça, ça a marché. Oh, je vais la police. Ben oui, ben oui. Ben, ok. Comme si tu étais sur la scène, en fait. Remplir un stade de plein de monde, hein c'est ça ma destinée. Représenter tous les guettus qui vivent dans la verria. Hein? C'est ça ma destinée. La mort de leader mal, homme de zéro, rôle par un black c'est ça, ça, Bravo l'artiste. Alors, cette euh, bombe. après ça, tu as encore euh, concocté quelque chose Non, après ça, je me suis tué un peu. Ok. J'ai un peu. Qu'est-ce qui explique un peu ce silence, ce temps que tu as pris avant de réapparaître Parce qu'à un moment donné, les gens disaient que Limanja, il a fini sa carrière, il s'en chante plus. Qu'est-ce qui explique un peu Voilà, j'étais allé derrière un peu me reposer, mhm. voir ce que je dois faire, regarder ce que les autres ont fait pour voir ce qu'on doit arranger et pourquoi ça ne passe pas, ça ne continue pas. Depuis, on était là, calé, et là, il faut que ça se réveille. Tout simplement. Et là, je crois que j'ai bien réfléchi avec les gars, on a un peu ça va marcher. Tu, si tu avec les gars, tu comprends, on va dans un instant ben sortir et voir comment est-ce que tu viens de aussi par la familia, hein, les et artistes. je te promets que 2021, 2021, c'est le Niger qui va dominer. Tout simplement. Nous croyons vous. Bah. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons en la musique nigérienne. Qu'est-ce que Nimanda réserve euh, aux jeunes, ah, à bien à ses femmes L'album, en fait, sera une galerie. Il y aura tout diable de musique, tu vois. Ça ne serait pas que du hip-hop. Ce serait aussi donc euh, un album rythmé. Oui. Bien rythmé. Bien, bien, cuisiné, Bien pimenté. Tu as déjà une idée du titre de l'album hmm, Ça va venir, t'inquiète pas. Ça va venir. Je, t'en dirai. Tu seras le premier. Le manager yeah, On va, nous sommes à la fin. Ok. L'instant est tout simplement sur Un message Bien évidemment à l'endroit de tes fans cette fois-ci, pour leur dire que euh, ce que tu réserves pour eux, eh, la balle est de ton camp. C'est toi qui sais par quelle manière tu vas passer pour amener ces jeunes, euh, n'est-ce pas, à croire en toi, pour dire à ces jeunes que tu es là et que tu vas bientôt sortir. Oh, oh, oh, oh, la oui. main. Oh, oh, yeah. oh, oh, la main. L'instant, yeah, sur mais... Le que qu'ils font? Bah, en fait, il n'y en a qu'une seule manière, hein, c'est de faire un travail qui est bon, c'est tout. Hein. Et c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai même fait. J'ai bien cuisiné, mais ma cuisine, elle est prête à être kiffée. Et petit à petit, un à un, vous allez kiffer et vous allez comprendre. Voilà, soutenez-nous partout et faites comme les autres pays. Vous ne voyez pas les autres pays, ils sont avancés et nous, ils disent tout le temps le Niger, ils nous comparent de fois au Nigeria. Non, c'est pas bien ça. Ladies and gentlemen, c'était l'artiste s'exprime. C'était la machine. Et